le maay président ASC Koussoum waxtaan bi nag dafa nekk waxtaan boo xam ne nuñ ko bu du rek la président ASC di waxtaan am ñetti daje yoo xam ne nañ ko si ay kilifteef waxtaan ci waxu responsable ba tënk suñu wax vous ci benn kàddu loolu laa leeral bu jëkk di leeral na mi nag ne collectif bii ngay gis nii dañu bëgg a dindi tuuma tuuma bi mooy que ne képp ku wax Médina di wax xiiroo ŋaayoo violence te ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay loolu moo tax ñu ne nañu daje ñun responsable yi ñu waxtaan pour loolu ñu doon sikkee loolu dañ fi muy violence bi muy ay acte yenn acte yoo xam ne bugguñu ko léegi nag ñu daje ñu ne ñun du fekkee ne waxtaanuñ suñu biir déggoo suñu biir am na lu bari dina fi dëñ loolu mooy indi nag suñu jur kuréel bi ñu ne tamit euh, am na nit ñu bari yoo xam ne yaakaar nañu ASC yi te nit ñooñu yi yaakaar ASC yi ñun waruñu leen euh, décevoir lu tax waruñu leen décevoir mooy que ñun lépp lu ñu yukk wax ko dox ko affaire politique affaire intérêt jeunesse bi la affaire intérêt suñu ASC yore di pour le moment loolu moom laa indi comme euh, wax bu pour wane suñu daje bi suñu daje bi nag indi finalité la mooy parachèvement processus boo xam engagé nañ ko déglu mu wax ñu lu mu nar dégg nañu suñu rakk yi nekk euh, collectif des jeunes de la Médina lu ñu bëgg ak lu ñu kii ñu yaakaar ne ñun dañuy xàll yoon bi rek wax ñun lan la ñu yaakaar luñ ko tegee li si des nag après ñu waxtaan rek lay mujjee moo tax ñu def benn déclaration boo xam ne man mun naa ko lire wala kenn lire ko donc euh, chers frères de la Médina, le collectif des 11 ASC de la Médina s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter d'un point qui est un point important, c'est comment instaurer un climat de paix, un climat de solidarité et un climat où les jeunes, la jeunesse de la Médinoise peut euh, s'épargner euh, conformément à leurs besoins. Comme vous le savez, la Médina est un quartier traditionnel dont une plus grande partie de sa jeunesse est mobilisée par les 11 ASC autour d'activités sportives, socioculturelles et économiques. Ces ASC servent de réceptacle et de levier aux efforts de développement de notre commune. Elle constitue un puissant cadre de mobilisation de cette frange importante de la population pour la réalisation des objectifs de développement. C'est dans ce cadre que les présidents des ASC ont décidé de, de surpasser les passions et les actes de violence du fait des rivalités internes en créant un cadre unitaire, apolitique de dialogue et de concertation autour des problèmes de la jeunesse médinoise. L'objectif de ce collectif est de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et à la cohésion sociale. Ce collectif se veut être à l'avant-garde des combats pour la défense des intérêts matériels et moraux des ASC. C'est pourquoi nous, les présidents des dites ASC, constatant, avec regret l'insuffisance criante d'espace et de jeu fonctionnel dans nos communes, considérant les difficultés énormes pour disposer de terrain pouvant accueillir les entraînements de nos clubs, évaluant les lourdes charges liées à la location de terrain et au déplacement de nos équipes jusqu'en banlieue, considérant que l'aménagement du terrain du Djara constitue pour la jeunesse médinoise une très grande opportunité. Saluant les efforts engagés par les acteurs dans le cadre d'un partenariat public-privé, le collectif des présidents, des leaders d'ASE félicite les acteurs et adhère à cet important projet. Le collectif apprécie également l'approche inclusive préconisée dans l'exploitation de cette infrastructure. Le collectif estime que la subvention de 101 millions par an par ASC est un précieux concours dans la gestion de le club. Le collectif salue et adhère à l'ouverture et à l'implication des ASC dans la gestion de cette infrastructure. Le collectif recommande à ses membres, à ses représentants qui sont au nombre de quatre, d'apporter les ajustements requis relatifs aux tarifs et à l'accès, et ce, dans l'intérêt de deux parties. Le comité exprime sa profonde inquiétude face aux actes et ajustements qui risquent de retarder l'exploitation de cette infrastructure, et ce, au détriment de la jeunesse. Le collectif soucieux de contribuer à la paix la stabilité et au calme, Un appel au réalisme et à une concertation élargie pour trouver des solutions consensuelles garant de la durabilité du projet. Je vous remercie.